son vendredi 16 juin 2023. Il vient d'être 11h à Niamey et un peu partout au Niger. Fidèle auditeur auditrice du studio Kalangu, Bonjour à vous, ravi de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Où que vous soyez, nous vous disons merci d'être de notre. Je suis Ali Moukela Ouseni, alias Seno et avec moi Salamatou Kadri dit Sali pour la présentation. Bonjour Sali. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, merci. Seno, on fait aussi un petit, coucou à ceux et celles qui assurent de l'autre côté du studio. La technique c'est Lawal Issa et à l'édition Adama Dawati. Alors Seno, quel est le menu du jour. Et oui, comme d'habitude, Sali, nous allons faire le tour de l'actualité avec le flash d'information pour commencer. Puis une bonne dose de musique 100% nigérienne avec des titres qui valorisent quelques mains traditionnels très prisés par les Nigériens. Diloti avec le desk femme du studio Kalangu, du sport avec notre chroniqueur sportif Soumana Amadou de la culture linguistique, sans oublier la revue de presse qui sera présentée par Michel Dédi. Toujours dans ce menu, c'est nous. Nous allons dans la rubrique invité du jour recevoir un grand baobab du Niger, du monde d'art artistique nigérien. Il s'agit de l'artiste Diasibo Chambiano, alias Dias Chris. Il est artiste chanteur et peintre dessiné et propriétaire d'un espace d'exposition et des manifestations culturelles appelé Galerie Tawedo. Avec lui, nous parlerons de l'art de peindre. Notre rubrique Écho des régions nous conduira à Agadez pour brosser sur une action de service imposée par les jeunes d'Agadez. Nous terminerons avec les messages vocaux de nos auditeurs. Alors installez-vous confortablement car c'est parti pour toute une heure de divertissement et d'infos. Sans tarder, chers auditeurs, je vous propose de suivre le flash d'information avec Nafisa Adamou Sirfou. Justement, Nafi est avec nous dans ce studio. Nafi, bonjour. Bonjour Salam tout. bonjour Seno. Bonjour. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu. bienvenue dans ce flash. Ce jour 16 juin est célébré la journée de l'enfant africain, une journée de rappel sur les engagements pris en faveur des enfants. Cette année, le thème retenu est l'environnement numérique et les droits de l'enfant, selon la ministre nigérienne de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Seul 1% d'enfants accèdent à l'Internet en Afrique du fait de l'insuffisance de moyens des parents et ou de niveau de développement des infrastructures structure mise en place par les États. Il est donc évident que l'accès des enfants à l'Internet a un avantage certain dans la jouissance de, leurs droits, notamment des droits à l'éducation, à la liberté d'expression, à l'épanouissement et au loisirs. Le Conseil des ministres a adopté hier 15 mai le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2015-36 relative à la lutte contre le trafic illicite de migrants. Le, présent projet de loi vise à adapter le cadre juridique en matière de prévention et de répression du trafic illicite de migrants au standard du droit international des droits de l'homme et des conventions et accords régionaux et sous-régionaux relatifs à la libre circulation des personnes que le Niger a ratifié. Enfin, aujourd'hui s'ouvrent à Niamé les compétitions de la troisième édition de la Coupe du président de la République de lutte traditionnelle. Ils sont au total à 16 lutteurs de toutes les régions qui s'affronteront pendant trois jours. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'informations. C'est la fin de ce flash. Merci Nafissa pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme l'annonçait tantôt, nous recevons l'artiste Diasibo Chambiano, alias Dias Chris. Je rappelle qu'il est artiste et artiste à plusieurs casquettes euh, tantôt, notamment chanteur, auto-compositeur, interprète. Il est également peintre, propriétaire d'un espace d'exposition et des manifestations culturelles dénommé Galerie Tawedo. Avec lui, nous allons échanger sur l'art du peintre. Bonjour Diaz et merci de nous avoir honoré de votre présence dans cette émission. Bonjour, merci à à la radio Kalango parce que moi ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la radio. <laughs> D'accord. Alors, avant. C'est la première fois que je rentre ici, <laughs> je vais vous dire et merci de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Avant de vous donner la parole, euh, savourons d'abord la première musique de notre playlist d'aujourd'hui. Et comme le dit l'adage, à tout seigneur, tout honneur. Nous allons écouter l'un de vos titres qui est très connu par le public nigérien, que ça soit jeune, enfant ou vieillard. D'ailleurs, personnellement, ces titres me rappelle beaucoup mon enfance. Il s'agit du titre Dindin. On écoute. Osunongumbo till I'm one day. Osunichale till I'm one day. O till i ti one day. Ochajamaica till I'm one day. Obanda beyo till I'm one day. Obanda beyo till I'm one day. Odamarwana till I'm one day. Oda marwana I'm one day. Odamarwana till I'm one day. O Malabuga back or far be jabba. O Malabuga back or far be jabba. O far be jabbalembe yapo. O far be jabbalembe yapo. osini ta mo ti la O osini ta mo ti la mandi osini kyale ti la mandi osini kyale ti la mandi ochaja meka ti la mandi ochaja meka ti la O obanda be ti la mandi obanda be ti la mandi odama wana ti la mandi odama wana ti la mandi o mala bege ba ko fa bege ba o fa bege ba lembe ya meka tila mwandi ojaja oh, meka tila mwandi obanda oh, be tila mwandi obanda oh, be tila mwandi oda marwana ti mwandi oda marwana ti mwandi omalbege bako fa le titre Dindin de l'artiste Diaz qui est avec nous dans ce studio. Alors Diaz, avant de rentrer dans le vif du sujet, parlez-nous un peu de ce magnifique morceau que vous avez chanté en langue gourmandie. Dites-nous, ça parle de quoi ben, C'est toujours difficile pour moi de vous expliquer les chansons parce que en fait tout est en métaphore dedans. Ça veut dire que c'est l'histoire de quelqu'un qui a volé un âne, qui a vendu, qui est parti en aventure. Et quand il est revenu dans le village, il a eu une femme, un enfant qui, qui est devenu prostitué. Ah, Donc, en fait, quand vous faites la métaphore, ça veut c'est juste en fait euh, pour dire que l'œuf de la pentade ne peut éclore que la pentade, quoi. Ça peut pas être autrement. Ça veut dire que c'est un peu dans le moral, ça veut un peu conseiller les gens de rester euh, hmm. bien sur eux-mêmes parce qu'on reproduit les mêmes choses. Si on est bien, on reproduit de bonnes choses. En fait, c'est ça. Quoi. Et dindin, ça signifie quoi Dindin, c'est en fait, euh, en, fait en, musique gourmanché, en chanson gourmanché, parce que là, c'est le, le dangoma en fait. La, la danse, c'est le dangoma. Parce que vous voyez, dans, c'est tantiala, mais c'est pas du tantiala, c'est du dangoma. Euh, si vous, avez bien écouté, vous allez entendre des, des, sons qui. Exact. <laughs> Mais en fait, c'est les perles qui sont autour des hanches des femmes. Waouh ah, le truc là, qu'elle est voilà, donc, attache pour voilà. danser. Donc on dit. qu'on appelle nyamaisé. Voilà. Ah non, ça, c'est pas nyamaisé. C'est ça, c'est ça le nyamaïsé. Ah, en fait, C'est pas sous forme de kouri Non, non, non, non, non, non, c'est le nyamaisé même parce qu'avant, les femmes, elles portaient pas réellement des, des, des, des, des vêtements. Elles portaient, les nyamaïsés servaient de ceinture avec une bande, en fait, à l'intérieur pour cacher le sexe, en fait. C'était nos, Jusqu'aujourd'hui, il y en a encore qui portent, en fait. Donc, euh, voilà et baladine c'est caresser doucement sur les perles rouges okay. est bon quoi voilà donc vous voyez c'est tout en métaphore dedans c'est pour ça que je dis que voilà caresser sur les Niamey doucement. très authentique alors cette chanson a été euh, produite dans quelle année ben en fait on l'a enrichie avec euh, Maître Bat au euh, centre, de promotion musicale c'est en 99 en fait 99 99 avec Ousmane Songo Maître Bat et puis voilà Super. Eh bien, parlons à présent de notre sujet proprement dit. Alors, c'est quoi la peinture et qu'est-ce qu'elle représente pour vous Bon, déjà pour moi, la peinture, j'ai commencé déjà à être. Euh, personnellement, quoi, moi j'ai commencé à dessiner d'abord avant de m'y mettre à la peinture. Ok. Et euh, pour parler de la peinture, en tant qu'Africain, je me dis qu'il n'y a pas quelque chose en Afrique en fait qui n'a pas de signification. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils regardent les choses comme. Euh, un touriste regarde, euh, on regarde nos traditions comme un touriste regarde. Mm-hmm. Regarde l'Afrique, en fait. Donc, euh, pour moi, la peinture, je la définis par l'expression de l'âme de tout un être, en fait, qui prend euh, de la matière pour représenter ce qu'il pense, en fait. C'est comme mm-hmm. ça que je vois la chose. Mm-hmm. Donc, selon où vous êtes, les matières peuvent changer, les réflexions peuvent changer. Exactement. Et la plupart de ce que j'ai vu en Afrique, quand même, et il y a quand même le côté spirituel qui accompagne toujours. Mhm. Euh, maintenant, pour vous parler de moi personnellement, moi j'ai mhm. commencé à dessiner d'abord avant d'arriver à la peinture, comme beaucoup de gens en Afrique en fait euh, subsaharienne, et en utilisant beaucoup euh, des pigments. Ok. La terre, en fait. il faut, parler ça comme ça pour que les gens comprennent ça. Mhm. Dans la terre, vous avez toutes les couleurs. Je ne sais pas si vous savez ça. Avec la terre, vous avez toutes les couleurs. Ça veut dire que d'ailleurs, rien ne vient d'ailleurs, en fait. Tout vient de la terre, en fait. Et tout mhm. va partir à la terre, comme on le dit. Si vous allez dans les carrières, si vous observez très bien, vous allez voir que, en fait, vous pouvez trouver toutes les couleurs et toutes les nuances de couleurs, en fait. Donc, nous, en tant que pays, euh, on va dire enclavé, parce que, voilà, on est loin de la mer, on n'a pas les bateaux qui amènent facilement les choses pour pouvoir acheter la matière très. Euh, très on est obligé d'inventer. Donc, voilà. Maintenant, si je vais revenir maintenant dans la tradition, si vous regardez maintenant, pour parler de peinture, si vous regardez, il y a beaucoup de danseurs qui apparaissent avec des, signes, des masques et tout ça. Donc, euh, c'est très, très. on va prendre toute votre émission pour parler de la peinture. <laughs> alors, alors, alors euh, dites-nous, euh, qu'est-ce que la peinture représente pour vous aujourd'hui moi, la peinture représente pour moi euh, une forme d'expression, comme je viens de le dire. Vous une forme d'expression, mhm. comme la musique mhm. euh, représente pour moi une forme d'expression. Mais maintenant, c'est ce que j'accompagne en vous disant que, en fait, en tant qu'Africain, la mhm. peinture est significative pour moi parce que tout geste, en fait, est un rituel. Exact. Voilà. Exact. Alors, on va, euh, chercher à, à savoir quel est son rôle dans notre société notre société d'aujourd'hui. Est-ce que la peinture joue un rôle euh, important bon, de jours mais sinon, vous me forcez à, partir dans, <laughs> dans, les réponses un peu académiques et autres. Mais ce que la peinture représente aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Ça veut dire que aujourd'hui, euh, ça veut dire un paysagiste. Je ne sais pas si je parle comme ça. Mhm. Un paysagiste représente en fait l'environnement dans lequel il vit. Et euh, ceux qui sont dans l'abstrait aussi, c'est une expression en fait parfois personnel, parfois euh, euh communautaire. Exact. Euh, exactement. Donc, <laughs> en fait, pour moi, euh, pour moi, c'est comme la musique, en fait. ce qu'elle représente, elle représente ce que la musique représente dans la société. Super. Voilà. Avant de poursuivre nos échanges, Diaz, marquons une petite pause pour suivre la revue de la presse. C'est avec Michel Dégis. Michel, bonjour. Bonjour Salamotou, bonjour Seno. Bonjour Michel. Alors, quelles sont les actualités qui ont marqué la <laughs> semaine Michel, le ministre de l'Éducation nationale lance à Birningauré les épreuves écrites du premier groupe du BPC session 2023, titre l'agence nigérienne de presse. Oui, Salamotou, selon les chiffres rapportés par l'ANP, pour cette année, ils sont 140 687 candidats, dont 49,45% de filles reparties dans 373 centres à l'échelle nationale. S'adressant aux candidats, le ministre de l'Éducation nationale leur a signifié que cette année a été calme, les cours se sont déroulés normalement. C'est pourquoi le professeur Ibrahim Natato a remercié toute la communauté éducative du Niger pour avoir contribué à cette réussite d'une année calme qui va conduire à des résultats meilleurs avant de souhaiter bonne chance à tous les candidats à cet examen indique l'ANP. Alors, le souffle de Maradi, pour sa part, a titré en gros mardi euh, carburant une ancienne mesure d'interdiction de vente aux porteurs de bidons gêne la mobilité dans, le, dans les départements et les communes. Oui, ça se passe justement à Maradi. Ce journal rappelle en effet qu'une dizaine de jours après la suspension de la subvention sur le carburant au Nigeria, les automobilistes et les consommateurs subissent la pire augmentation de tous les temps sur les transports et les produits de première nécessité plus inconfortable est la situation de la mobilité dans les villes et les villages des communes ne disposant pas de stations d'essence. Dans ces contrées, le litre peut aller jusqu'à 1000 francs CFA, une situation due non seulement au manque de stations, mais surtout à une ancienne consigne qui interdisait aux pompistes de vendre du carburant aux porteurs de bidons explique dans ses colonnes le souffle de Maradi. Du sport pour terminer cette revue de la presse, Michel, nos confrères de la presse écrite ont également parlé cette semaine de la finale de la 48e édition de la Coupe nationale de football du Niger. L'AS Garde nationale s'adjuge le trophée, s'exclame le journal La Nation. Le journal La Nation souligne que l'AS Garde nationale aura passé après un score de 1 but partout à l'épreuve fatidique des tirs au but avec 6 tirs contre 5 pour l'AS Douane. Grâce à ce succès, l'AS Garde Nationale remporte la coupe et une somme de 20 millions de nos francs. Le finaliste malheureux, l'AS Douane, quant à lui, se retrouve avec 5 millions de francs CFA. En marge de la cérémonie de remise du trophée, le président de la République Mohamed Bazoum a remis officiellement le drapeau au capitaine du MENA U23, Moumouni Darankoum, un geste hautement symbolique pour ces jeunes qui vont représenter le Niger à la Coupe d'Afrique de la catégorie conclue la nation. Il s'agit en effet de la Cannes U23 prévue se dérouler au Maroc du 24 juin au 8 juillet prochain, le MENA U23 est à se fait dans ce pays depuis dimanche dernier pour son acclimatation. Bonne chance donc au MENA U23. Merci Michel pour cette revue de presse. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là la revue euh, de la presse, euh, chers auditeurs. Poursuivons notre échange avec euh, notre invité du jour, l'artiste Diasibo Tiambiano, alias Diascris. Alors, tonton, dites-nous, selon vous, quel regard le peuple nigérien assure l'art de peindre Bon, déjà, en fait, j'en ai répondu beaucoup à cette question aussi pendant. <laughs> comme je suis galériste. Ouais. Et euh, le en fait, déjà, moi, euh, j'ai fait une exposition euh, à Dar Salam à un moment donné avec des, toiles qui coûtaient très cher, que je laissais à l'extérieur. Mhm. Et j'ai eu des appels des gens qui demandaient est-ce qu'on ne va pas les voler ou quelque chose comme ça. Mhm. Mais Je crois qu'on n'en est pas là encore. OK je crois que le regard plutôt pour le dessin est encore plus, euh, comment on appelle ça là, euh, est encore plus, plus fort, le regard vers le dessin en fait, par rapport aux Nigériens mhm, mhm. lambda et tout, ça, parce que faut pas passer, parler de la minorité en fait, qui, mhm. est la, euh, qui est la bourgeoisie. La peinture en tant que telle n'est pas encore ancrée au fond dans les, dans les, dans les masses, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose encore qui est connu. D'abord, on travaille pour ça, pour que ça soit connu. Pour Par la masse populaire. Voilà, la masse populaire, parce que c'est ça qui compte. Ça veut dire que quand vous prenez une ville comme Barcelone, mhm. eh, les gens ils savent c'est quoi la peinture, et tout, ça. Il y a beaucoup de. Voilà. <laughs> Ici, mhm. eh, pour l'instant, nous ne sommes pas là. C'est pour ça, je pense que si on retourne dans le rituel, dans le rituel, vous repartez par exemple à, à, à, euh, à Baleara, je crois c'est Balaya, non, à Namaro, sur les îles, vous allez voir mhm. des femmes. Vous allez voir des femmes, parce que c'est ça qu'il y a. Chez nous, il n'y en a pas quelque chose qui ne signifie pas quelque chose. savez, tout geste est un rituel sacré. Donc, si vous repartez par exemple sur euh, Ayuru, mhm. il y a une euh, petite île où les femmes peignent, peignent sur les murs. Vous voyez, en fait, pour répondre à cette question-là, il faut aller poser la question à ces femmes-là <laughs> ce qui signifie ce qu'elles sont en train de peindre. Si nous, on revient un peu plus dans le dessin. Mhm. Parce que, par exemple, l'illustration nous a permis, par exemple, euh, d'éduquer les enfants, euh, de montrer où est une station, mhm. de montrer où il y a un bar, de montrer où il y a en fait une radio, comme ici, l'illustration, en mhm. fait. Mais la peinture en tant que telle, encore, je pense qu'elle est encore à son, euh, son état embryonnaire. Ok. Alors, on, souvent on dit euh, quand tu te retrouves devant un tableau, euh, tout de suite tu dois, je euh, je sais pas, déchiffrer quelque chose, ça, te parle. Mais personnellement, je, je n'arrive pas. Est-ce que il y a euh, une école d'apprentissage de comment lire les tableaux ou bien euh, ça vient <laughs> naturellement bah, Je crois qu'en fait, euh, les images, en fait, chacun de nous voit les images qu'il voit. Moi, je vous regarde, vous, en tant que Sénou. C'est pas sûr que Michel, ou comme il s'appelle, <laughs> le voit, vous voit de la même façon. <laughs> En fait, c'est comme ça aussi l'étoile, en fait, on, va dire. Mais sinon, en fait, les paysagistes, c'est pour ça les Africains, en mm. général, mm. sont... sont plus proches de l'image. Mm on est plus proche de l'image réelle, on va dire mhm. ça comme ça. Ça veut que c'est une femme, vous avez dessiné une femme qui est en train de laver le linge au bord du fleuve. Tout le monde sait. Tout de suite. <laughs> Que, voilà. Maintenant, quand vous rentrez dans les histoires d'abstrait et autres, ça veut dire que ça, c'est une autre école aussi. C'est des écoles qu'il faut euh, d'abord accepter. Mhm. Ça, c'est un. Et puis, en plus, apprendre. Maintenant, s'il y a des écoles d'art euh, au Niger, malheureusement, au Niger, euh, par rapport à la peinture, il n'y en a pas. Mhm. Et euh, la plupart des, peintres sont euh, formés après, mhm. après avoir passé euh, l'école de la rue. Ils sont formés après pendant leur voyage Exactement. Ben, par contre, je pense qu'à Bamako, il doit avoir une école, une école d'art à l'INA, en fait, pour la peinture. Et aussi, bon, le Congo, je n'en parlerai pas parce que voilà, là-bas, en fait, la peinture est vraiment très, très, très, très développée. Et puis Madagascar, il y a beaucoup de villes, en fait. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, vous êtes propriétaire d'une galerie où vous faites des expositions. Parlez-nous un peu de cette activité qui se tient au sein de votre galerie. En fait, moi, quand je regarde, par exemple, un être humain, en fait, je regarde dans toute son essence. Ça veut dire, quand je chante, par exemple, je sais que l'aveugle m'entend. Mhm. Quand je peins, celui qui voit me voit et ainsi de suite. Ça veut dire que j'essaie de relier tous ces sens-là aussi. Mhm. L'écoute, la vue. Maintenant, il reste que la cuisine, en fait, pour combler les, quelques vues, là, qu'on, les quelques sens qu'on a, en fait. Donc, la galerie Tao 2, c'est un peu, c'est un peu dans, ce, dans cette optique-là. Mais à la base, même, c'est que j'avais cette idée depuis, euh, depuis 30 ans. Parce que c'était difficile pour nous de partir, de jouer quelque part. Il faut louer, il faut payer. Et à la fin, vous retournez à pied à la maison. Moi, il y a des moments où les gens ils me voyaient marcher à Niamey, ils pensaient que non, en fait, j'ai marché pour faire les 100 pas, mais je n'avais même pas 100 francs pour prendre le taxi. <laughs> Et c'est comme ça, c'est encore difficile pour les artistes comme ça, en fait. Donc, que le sens de la question, c'était quoi Rappelez-moi, parce que je suis pas très bien réveillé à 11 <laughs> C'était de savoir euh, euh, comment est-ce que... qu'est-ce Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de, la galerie. galerie. Bah, en fait, euh, on permet aux jeunes de venir. En fait, de, de, de quand vous n'avez pas, par exemple, vous avez par exemple 200 personnes qui vous aiment à Niamey, mais vous ne pouvez pas payer le palais d'espoir pour euh, pour ces 200 personnes. Mhm. Sinon, vous leur demandez de payer 10 000 ou 15 000 ou 20 000 mhm. pour rentrer, pour que vous, euh, rentrez dans vos frais, mhm. en, parlant de trucs. Donc, la galerie, elle est créée pour ça. En fait, l'espace surtout est créé pour ça. L'espace est créé pour que, en fait, vous, savez d'abord, l'artiste soit en proximité avec son public, son mhm. premier public, mhm. s'essayer, voir dans les yeux de son, de, son public mhm. euh, ce qu'il ressent en fait de, de, l'art qu'il produit. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça veut dire que c'est la proximité avec le public qui a. Voilà. D'accord. Merci, merci infiniment. Non, euh, avant de le remercier, vous avez parlé de la peinture, pourquoi pas de la musique et, pourquoi pas un petit truc pour nous direct, en direct euh, pour nous. Un petit acapella, tu veux juste un tout petit peu. <laughs> Alors, tonton, est-ce qu'il est que y, a, y, est -ce que y a des projets à court terme Peut-être, je sais pas, vous préparez quelque chose ça Ok, la musique, euh, côté musique. il faut que je meure faut que tout s'arrête, en fait. <laughs> à tout moment, je, voilà, je travaille. Euh, là, on est en train de travailler avec Bachir Gentil sur un titre qu'on reprend. Euh, lui, il fait le slam, Et puis, bon, moi, je chante la même chanson. C'est d'ailleurs ma toute première chanson. Ça fait déjà 40 ans que j'ai écrit la chanson. Merci, merci Super. infiniment, Diaz, pour avoir répondu présent à notre invitation et d'avoir également répondu à toutes nos questions. Excellente journée à vous. Merci, merci, infiniment. Merci à, la prochaine. À la prochaine. C'est non, sur l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, ça lie euh, exactement. Aujourd'hui, notre euh, reporter Habibou Garba. nous amène dans la cour royale de Dosso où le noble Garba Hassan raconte comment étaient les jeunes dans les années 1960. Il nous compare surtout les deux éducations d'hier et d'aujourd'hui. Écoutons-les. matanau wato din furta jai ba funa gonan da da mo hunkun wani dini karkar ga wato ni babu wadda wani ni ber wadda gondo boko ga jar ni ga tano kadin jare konda sai gina ga ka ko ni do zan kai gimai so hunkun wodin sino hankan wodin sino ba bora ko ka beri da nin ga gaba wando ka hiji wala e fo gina mi hiji da sai zan kal barkantuno iga ba ga bor berandi to hunkun wodin sino hunkun bora sine kalangar zaka sai dano wato ba ni sin da badala wallahi ni ga godu doti jai iga godini ni zaro ga ka irmai ne wato dino ko bora kulno ga biri aran gandi silman kara gande dirse guna aigin no silman kai no fo ayo kay go lokol bo wato kanci ni woni certificat ene o en 61 e il metro haono da humno an convocation samba ai babu sai kana isi no kala kolai borinka ai babu ne filan ni kolokol ai ne kolokol soda no yika ane semka aduai kitibi inda ay kuzo da adiki kar adiki kari gbare to gande ay babu kuzan fo kan su gine sogana ina ya fono turjan ta ki goga karo ina lokol dam o to to nya misla na se o na se ngubu mo ka so be do kar to za hande han mene ka mutu lokal to hun kuno din sino aran ciyon ga kuna borfo sin fanda borfo zikar wala a sino wallahi sino wallahi ba da ni karmo wallahi di ma hakoi nyango hi jaga fai so wai borai ngeno kabara ndundi so way bore dinda ize kalkuli gine isbare no hay kul man har ko sar kala way bore fa niki kaga undi gar kan kanan de beri nge bore hinki nge bore hinza way bore ni ka chare isin wacha do bore babe di wacha do no ko isin wacha do me dai way ne wo asiri bafuna butugumo asini je furtaje lahani zarmeno gane kulka borte ni baba sai kul ni ziga baninga i, i hagoi di wane so i wo afongo ga hagoi diri amma an mo bai kul kan man hagoi di baba wallahi ni gudu izi kan ba kare agin kar in ka ci zaman wane kara gome izi no baba ga cek don to wallahi mine ai gande muradu fo ai ganda wato baba gin check ni gande muradu ni muradu no bisin baba wana asini me dai mai no himaga kan badan murado mu gasu matka himanda kamba dan kulsin kalza funo zankawo e, zarmaino gane da zanka bonga kanu ine anya da baba manbiri don kuna kadaida i jama kulu zafu ko cha mudu tarbiya hanno da kollo kol imagana gana babo mu zo gana lokol to wodi no sigite C'était là la rubrique hebdomadaire, sinon nous allons encore une fois de plus déguster de la zik. Et cette fois-ci, je vous balance le titre d'Onguri Haru du fait Sheibo Ayuru. On écoute. Chebou Ayoru, un titre qu'il a composé dans les années 80 dans le cadre de l'accompagnement de la politique du régime du fait général Seyni Kunti, qui consiste à remettre les Nigériens au travail de la terre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, l'artiste vante dans sa chanson les vertus du niébé une sera longtemps négligée au profit du mil, du riz et du maïs. Yeah? Oui, mesdames et messieurs, après cette belle sonorité musicale, euh, chers auditeurs, direction Agadez, capitale de l'Aïr. Oui, c'est nous. L'écho des régions d'aujourd'hui nous conduit directement de la ville d'Agadez pour brosser sur un acte noble de civisme imposé par les jeunes de la dite ville. Oui, plusieurs jeunes du quartier Amdi dans la vieille ville d'Agadez ont organisé mercredi 14 juin 2023 une journée d'activité citoyenne. Objectif entretenir certains endroits d'évacuation d'eau, de ruissellement, de pluie, une activité qui émane de leur propre initiative dont le but est de sécuriser leur quartier en ce début de saison pluvieuse. Reportage signé Moussa Maman. Trois pelles et deux brouettes sont les moyens utilisés pour ces jeunes du quartier Amdit pour exécuter ce qu'ils appellent travail citoyen, une initiative pour prévenir les inondations en prélude à la saison pluvieuse qui s'installe. ga lokacin damana na yanzu mun zo mun gyara unguwanmu mun gyara gada inda ruwa ke bi mun gyara saboda ba mu jira miri su zo su mana gara mu gyara da kanmu saboda kanmu ne zamu ma mu ne muka yi shawara muka yi niyya ci kuma insha Allah wanga aiki mun fara shi kenan tabarkalla mutane sun fito matsalar kayan aikin sun dan mana kadan tunda tunda sai mun kai ha midi Le chef de quartier se félicite de cette initiative des jeunes et appelle les jeunes des autres quartiers à s'inspirer de cette initiative maza da mata na unguwa sun zo gaba da to wannan insha Allah mu bisa niyyar mu mun kama aikin shi kenan duk inda lokaci ga muka lokaci muka gani ya tafi wurin ya tilalace Malgré l'esprit de civisme qui les anime, ces jeunes ont besoin d'un appui conséquent pour mener cette œuvre citoyenne. Moussa, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous de l'autre côté Ça va bien. Ah, super cool, Moussa. L'activité, c'est la première fois ou bien ils ont l'habitude de le faire chaque année en tout cas, c'est une première fois à Agadez que euh, ce, ce, jeune grand valide euh, de quartier d'Agadez mhm. vraiment se mobilise pour euh, euh, faire ce travail citoyen. Ah, ça, c'est super. Et comment est-ce que la population a accueilli cela En tout cas, la population a, a beaucoup félicité et salué cette initiative parce que tout simplement, jusque-là, la municipalité d'Agadez n'a pas débuté les travaux en prélude de la saison pluvieuse qui s'installe. Mhm. Et je pense que déjà la pluie a commencé à tomber quelque part dans la région. Et ça peut passer aussi à Agadez, ça peut tomber. Donc c'est pour cela, ces gens-là n'ont pas attendu que la mairie puisse faire ce travail-là. Elles se sont mobilisées elles-mêmes pour vraiment arranger leur euh, voie pour, passer, pour vraiment faciliter le passage des eaux de pluie. D'accord, merci beaucoup Moussa. Je profite pour faire un coucou à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent de l'autre côté. Bonne journée à vous. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, accueillons Soumana Amadou, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Bonjour Soumana. Bonjour. Et nous arrivons maintenant, Soumana, tout d'abord, nous allons parler de foot de chez nous. Eh oui, la Super League euh, du football, équivalent au championnat national, se poursuit à Niamey et à l'intérieur du pays. Ainsi, nous sommes à la 22e journée et deux matchs sont à l'affiche pour cet après-midi à Niamey. La S affronte euh, l'Olympique FC et le Liberté sera face à l'espoir FC. Alors donc au, niveau du classement, la sagnn est en tête du classement avec 45 euh, points, suivi de l'US Gendarmerie nationale, 39 points. Et la troisième place revient à la douane de Niamey, 38 points. Enfin, il y a aussi en bas du classement, se retrouve l'équipe de Tawa, 16 points, et 13e du classement. Le Jangorzo de Maradi, 14e et dernier, avec 11 points. Alors, matin, autre discipline, la Coupe euh, du président de la République en lutte traditionnelle. Oui, les compétitions entrant dans le cadre de cette euh, Coupe nationale débutent cet après-midi à l'arène des Jeux de Niamey. Ils sont 16 lutteurs ici des 8 régions, à raison de 2 par région. Eh bien, ils s'affronteront pendant 3 jours pour la conquête de la Coupe. Et c'est aujourd'hui. Merci Soumana pour toutes ces infos sportives. Chers auditeurs, c'est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Abdou, une femme passionnée de l'agriculture. Oui, au Niger, les hommes détiennent les terres agricoles et lèguent des petits lopins aux femmes. Mais Azander, une femme passionnée de l'agriculture, a mis fin à la suprématie de bon nombre de cultivateurs, non seulement par ses grands champs, mais aussi par sa production annuelle, ce qui lui vaut le poste de chef des cultivateurs de la région par le sultanat du Damagaram. Elle s'appelle Aïchatou Abdou et chaque matin, au moment où chaque au moment où hein, chaque travailleur se rend à son lieu de travail, elle prend aussi son véhicule pour se rendre au champ. Découvrons cette femme hors du commun avec Mustapha Maman Sani. Sexagénaire Achetou Abdou, mère de cinq enfants, a hérité de la passion de la terre auprès de son père. to kuma sai in ba shi kuɗin sai sai in ce to baba zaman ke. sai wani lokaci ya ce mini to aishatu ki zo ma ki shiga noma na ce ha baba ba ni yanzu in yi noma sai kyale ne da na zo ban yi sati ba kawai cikin dare sai kamar an tada mini hankali kawai in yi noman nan kenan daga wannan gona ta ubana da ita na fara daga shi kuma noma ya shiga raina a takaice yanzu gona goma sha uku gara wadda nake aiki da ita gona gonakan nawa da eka ɗari ne to kuma amma yanzu da yake girma ya kama ba zan iya yin su ba duka ɗarin nan amma a ƙaramin lissahi na yi eka hamsin ko sattan Avec son activité, Achetou Abdou comble sa passion d'assistance aux nécessiteux. Akan noma ina tsakaccen riba, saboda akan noma a ciki za in taimaki al'umma ni kayan noma da nake samu. ba su taɓa shekara ba a cikin mangaza amma na hudda maka na iri a cikin ke ba masu ƙaramin ƙarfi in yi saraka in yi kyauta in yi dukkan abin da nake so na alheri a yanzu ina noma hatsi wake dawa Achetou Abdou est aujourd'hui la chef de tous les cultivateurs de la région de Zander, ce qui n'est pas fortuit, explique-t-elle. sai kaman kana da gonakai wadda zaka iya ci da mutum kusan dubu ma za a ci to ni ko alhamdulillah a gonakan a lokacin da nake yanzu sai in ci da mutum ya fi dubu wane dubu akwai mutane da yawa sai in ci suna cewa a wai an ba mace abun noma sarkin noma an ba ta mi to mace an ba ta sarkin noma ai allah ne mai ba kowa kuma ai kwarzan macen shi yasa aka bata ba a haka ba aka bani sai da aka tambayi duka 'yan karkarar ƙauyen nan kowanne mutane wasu ba a san darajar mace ba yanzu da aka tashi a wani lokaci ana cewa to mata wadda suka fito gwarzaye a ƙasar afirka gaba ɗaya ai ni ce ta farko da sarki aka aiko mu kwamfukasin muka tahi aka ba mu ta abin yabo To kaga ai wannan ma ci gaba ne. La terre est un trésor selon la chef des cultivateurs de Zender. Seulement il faut investir, ajoute-t-elle. Gona kan tana kawowa, amma sai da kuɗi, a yanzu sai ka sa kuɗi. Dan baka sa kuɗi ba duk abin da zaka yi gona ba ta kama ka abin kirki. Kenan ba ka yi gaba ba. Amma in dai ka kashe mata kuɗi, ka mata abin da take so, to ita kuma ta maka kai ma abin da kake so. ko ba ta maka ba a wani lokacin a wani lokacin sai ta maka a cikin yanayin noma kin taba daukan hauya haka misali da kanki kamar da haba an yi wannan shekaru fiye da shekara talatin in kasa dokan noma in kasa dokan haiwa ina doka ma yi mana sai dai ba zan yi ba kamar na yara Voilà, après ce portrait très inspirant hein, de cette Webordenji, comme euh, nous avons l'habitude de le dire, Dégustons ensemble, chers auditeurs, notre dernière musique prévue dans la playlist d'aujourd'hui et c'est le morceau Kurbo Courbo-Courba » du groupe La Calcanée. szobo kuruba kurwa czasu, zagraj kogry batu Parower kołuje, kuruba kuruba nirga szoty Tym tym mi za fino, masy tary nirga szoty Pokur noga szoty Bapa lapa gizmo vaj ingandra kurwa kurwa nyo Inna wani kunda matuna piao lama kela lama kuku Makama makon, magona makama Makama makungu Guna tasu tasu matasu wari gila matasu, chine zama matasu kuruba kuruba tasu yo

si wuce da si biya da shi da shi da miya kuka wani nyama kulla nyama kulla nyama kurba kurba afsa nyama kurba kurba gama hura da nauna we are the rosa fina directly in the ghetto the king of the fuda fuda of the king I'm a one on my one the top of big the top of kurba kurba is the fuda creation in the Niger came from Africa Arebo Le groupe Calcane de Diaf et de De ont composé le son Courbe Kurba », un des titres phares de leur premier album, dans un contexte particulier caractérisé par la, par la déperdition culturelle de la jeunesse nigérienne dont la plupart réunissent leur culture, leur héritage pour adopter d'autres comportements. C'est dans les années 90 pendant lesquelles les Fada et la vie en groupe dans les ghettos sont à la mode. À travers ce morceau, il interpelle la jeunesse à respecter et savourer nos plats traditionnels. swagger swagger ilmi tare da ilmi me, tare da ilmi kai ilmi ilmi ilmi wanda bai da ilmi ina zai iya waka quand je sors avec le mic le bon message passe par des motifs public attentif on ouvre la voie pour ceux qui n'ont pas encore de voix les boss des boss qui eh bossent, deviennent les big boss des boss avec Java Mr. Peace s'en fout Dini nura nura, Dini table nura, Dini j'attaque le lacal le canet le canet le lacal yo man le calcule est dans la place man que com o som. je crois que tu as pu ton, petit déjeuner avec du deux fois réchauffé, n'est-ce pas Exactement, le kurubu kourba. D'ailleurs, c'est pourquoi je dégage énormément d'énergie ce matin. <laughs> <laughs> Alors, Sally, on passe au loti du jour, n'est-ce pas Eh oui, c'est nous. Aujourd'hui, cette rubrique nous, nous forme de, sous forme de sketch que nous proposent les femmes du studio Kalangu. Nous parle des parents ou des tuteurs qui font travailler leurs enfants, négligeant ainsi leurs études. Pourtant, le Niger a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Écoutons Samira Rouafi et Rekia Arimi. <laughs> Eh, Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. Lati.

turai din sa sai kula ga wa. lokolize lokolize kan go turi jare da ifo sai no nyanga yin dan turi jare wo igo ga dan ci ne a mamo imine lokacin wo ki ne a go lokol gudon don inga chalai bande we bara kai gina man tai ni hima ga ha a wani hairaye no ni ga ha ai gitan ma bumbo haja mai muna izino alhaji mai kudi wani wando dini son kunne famu zanka kan gani go nadi ya gano ni go irkoi beri ko chadin no gonda lakkal a ga aga mo bo he manta izino son kunne fongo a wani kunyo kai kaino no. kauya na san bukkan da zama ciya wani kauya gano koleji sino matkan har kayo goga teda igihin ba a gare lokol hayo aiwai man ma kani ba kai na wallahi amma kai gina ifo no alhaji mai kudi ne hayo bo amman ne haikulu bogadin wasi babai hankan gogote yin ingu windo dinga bankan da fata za su bai koi habu kalcin binina ga yega kan kwara wai bogano ga haya kulte irko beri ko ciwo gaba amma ai wo kan tike wandi kwa ai su dangai ga hayo woguna din gihin gaidum irin koi ga di hajja maimuna a irin koi gon bande to irin koi mutuma borga te hayo wora ha ni izgunde? asa tengi zai sifa asa tengi zai si salamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salamu rahmatullah ku bai ne. Hajiya Maimuna mataga hamai mata zankai. Eh furuka furuka me a zankai ga sabuwar lai kwai ekwal. Eh, Amma yi mun faham. Ifa suna aran kan gidi mai tare sai aran tare go. <laughs> Hajiya mun ti wadin noti ir wani kayan wo ma'ana. Ni go ne zankai go lokkol. Abin dai ID na diya agogo fu goite aman kwai ga kyau. Ni diyan wo ga ate. Hai gunai se. kutkin na ga te ka ay windora ar no kisi mat kai ga izo no tarbiya asko ekol aga ba gi bon bono hay mai ko ise u fatta he u fatta wasi u fatta ga ne batama hajiya muna ni la kalkanan de suru suru ma igwo man kanan goyum dogi ni se matkan ni ta gin ize tarbiyantan de sok fadi ne wan lokkolo har ka gano oho so kan se aran mu aran madan yanno aran bisai wala zankawo zankawo asin da hini kulu hokan kan ga bora ga hinne amti hankan ngai kiyase abban hajiya tinai no ni bon ni munadiya sambu mazeni ize gunde hayai wo dumano ganan amzurga windo nan go kai ga furo lakal tunai foyara maze ima kwam walamo ima zai da hankan ga himan da yaji ne hai subhanallah gem ayya wallo ne mun tingune ban wara gem gem gem gem aman ban ni bai ir nijar labo akwai ga kambadan hankan ga titir foyen kan ga zan kai wani bafu na boriyan kwai ne mu a nasar giri zan bar hinkan da wakin da iddo ramu gwamnati kwai ga ga kan badake hankan ga tizan ka wanda yayi zai wana hallas yanwo dimi dum kyauyen waira kwai ne tiraiwo ini teno imuduga kyauyen wo na yanwo bonza zanga zanka kai ni higen diyan lokkolai morai da almiyalai kan ga zan kai ga idi kwai kyauyen gyanai ah ir kwai gwamnati alhamdulillahi wallai ai faham ai si yadda talo mu funaiga insha Allahu akwai ekol zanga dai matsin kele go koida hajiya hey nadia bisakka ai bun bono gundum kala ekolodo hajiya da kimi ni faham din man faham makiyai sai ai kwai ga alhaji mai kudi fahaman di walman tiyadin hajiya binta a cimino wallahi ha ha ha ha gayi ai wallai faham ay faham wala am to ni bil bonta bande wo fondo goy de bon fera ngaran kandir si ay sabu astai kula haja mai muna a gin gete mo ko ciwo ngano ga kwanda ni makka bo ah masha Allah irkoi dai mace alhamdulillah Lati, lati, lati, ba mu lati, mu lati, Voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Alamine Ouachari. Il est journaliste, traducteur en langue tamashek au studio Kalangou. Aujourd'hui, avec lui, on va découvrir ce que signifie le mot consensus en français et en tamashek. Oui, vous l'aurez compris, chers auditeurs, il s'agit de la rubrique culture linguistique. Alamine, bonjour et bienvenue. Bonjour, Bonjour, Salamatou. Il est fréquent d'entendre les mots consensus euh, dans les discussions l'Assemblée nationale, au niveau des syndicats, aux différentes ou les différentes organisations. Il s'agit euh, de voter ou surtout des euh, derniers temps de chercher des paix et de cohésion sociale. Alors, le consensus n'est autre qu'une procédure qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel ce qui évite de faire apparaître les objectifs et les abstentions. Pour plus de compréhension, nous pouvons dire que qu'un consensus caractérise l'existence parmi les membres d'un groupe d'un accord général tacité ou manifeste, positif et inanime, pouvant permettre de prendre une décision ou d'agir ensemble sans vote préalable ou délibération particulière. Donc euh, en tamashek consensus yani ne minnak fil ne en minnak fil batu made arat kul astaswadam daga attaque eh, dawani tawinta ginen daga tatimos eh, an tana tatimosan assemblée edaganen sagawaran winaganen mannasan et tawagu art afiliti waga ne minnak موصن إن منك في الأرض مدي باتو داوري توقع ولا ولا يعني دزا تمت كالتنات أفلني من دا داور تلا إي ولا ولا ولا داغين ديني قيمة وري ولا ولا دا غادي هو اللي دا تمر تانا هذا تموسى تمر تدغي تاوق ما منك كنا الأمة دن تافنا دغا أقمينا الخير دا غادي دوان زنا باتو تا تموس طفرت تصاهد في فلقنا ويقلنا قمي نسن منك نيتي ندغر تيين دا أزي قل نرد أدق ورز توقمي أدي توق ولا ولا ولا أقام نانا نوي دنيا دا أدن منك في الناس جنة وين الشينا أنت الصاكاوي دا دا دا وانزلنا نسينا مراوه Tanemert Alamine, merci pour euh, cet éclaircissement sur le mot consensus. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Alors, écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. dangane da shirin su na marece ina nura cewa kamar bai wuce minti ko goma sha biyar ne haka ko sha hudu da wani abu ya kamata a ce inda son samu ne mu shirin su cidiyo kalangu muna jin daɗin shi tunda ana taɓo ruwa daban-daban cikin mintin nan goma sha biyar wani labaran mai daɗi ne kana so ka ji ya ta hidiya amma sai a yanke shi a ɗan lokaci inda son samu ne da an kai shi ko da minti talatin ko awa ma mu abdullahi in aka samu mu muna so awa guda ma muka samu mu wallahi studio kalangu shin ku yana mana minti goma sha biyar ina a dan kara mana kaɗan saboda akwai labaran da za ku sa mai daɗi wanda mutum yana so a ci gaba da shi sai a yanke a taɓo wani daban kuma ina gaida kai kanka abdullahi da kuke kawo mana da kai da yan gidan radiyon ku da kuke kawo mana labaran studio kalangu ina gaida ku sosai sosai da kuma al'ummar garin gegeme baki ɗaya Allah ba mu zaman lafiya ina saurare eh, studio kalangu kuma suna shirye-shirye da dama ko masu kayatarwa musamman ma suna wayar da kawuna kamar fanni-fanni. kagan ka ɗauki suna wayar da kawuna bisa kan eh, rayuwar 'yan mata. Wasu uwayen ka gani suna ɗaukan yara kamar su basu talla, ba sa su makarantu. kaga nan ma suna waye kan mutane bisa kan wannan abubuwa. kenan ya kamata a ci wannan a ƙara mishi kamar lokaci kamar ka doki ka yaran ƙanana wanda shekarun su bai isa ba wasu iyayen suna ɗaukan suna masa arimi lokacin su bai isa shekara sha biyu sha uku mutane musamman ma na karkara kamar dan su ne ma kusan wanga shirye-shiryen ake yi tunda kusan ciwon ma ya yi hutawa daga wajen karkara za gani in a birni ne lalle kusan wannan gidan in wani yaro bai da lakwal wani yana yi za ga wasu uwan suna hamzarin su sa su gaskiya su ci kalangu wannan muna ƙara musu kuraji gaskiya su ƙara wayan ma mutane kawuna gaskiya labarin su yana faɗakarwa kuma duk abubuwan da ƙasa ake yi in ka kama su za ka ji cikakken labaru kuma babu wani labarin boge da wasu za ga suna yi suna kirkira ko su wallafa a su ci kalangu sai sun samu labaru tushen shi ta kwana suke wallafawa Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs du studio Kalangu, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, les journaux en cinq langues et notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec Nafisatou Adamou, notre collègue chargé de présenter le journal en français ce soir. Nafi, bonjour. Bonjour, salam tout. Quels sont les titres, les grands titres de ce soir Alors, à l'occasion de la célébration ce 16 juin de la journée de l'enfant africain qui a pour thème l'environnement numérique et les droits des enfants, vous entendrez la directrice de la protection de l'enfant de Gaïa. Elle nous parlera de l impact de l'utilisation des téléphones portables par les enfants. Ensuite, nous irons à Dosso où les femmes s'intéressent davantage à la planification familiale selon les responsables des centres de santé de la région. Dans le magazine a retrouvé le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Niamey qui s'exprime sur les différents droits de l'enfant. À partir de 18h15 interviendra le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Rendez-vous à 17h. À ah, soir. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Sali et moi-même, Ali Moukela Ouseni, alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour euh, le lundi avec euh, un nouveau numéro. Bonne vie de week-end à vous tous. Bye bye, Seno.